Oui, je m'appelle euh, Moïse Ganfani. Donc, euh, je suis sénégalais, j'ai 32 ans. Euh, je suis logisticien de formation. C'est vrai que la, la, formation a été commencée ici au Sénégal et terminée au Maroc, à Casablanca. J'ai mon master en transport logistique. Oui, c'est l'une des raisons principales qui ont, qui ont, causé mon, mon, retour dans ce pays. Donc c'est vrai que j'en profite également pour pour, pour, prier à Dieu, donc euh, qu'il accorde à mon, mon, défunt papa qui vient de s'en aller, mhm. donc qui vient de tirer sa révérence. Donc euh, je prie à Dieu de l'accueillir dans son paradis céleste. Mhm. Donc euh, c'est vrai que nous sommes dans les périodes d'élection locale, raison pour laquelle je suis de retour, pour essayer au moins donc, de battre campagne et faire éradiquer cette, cette fléau qui est là oui ba may dem circonstances, yi mun nañu wax ni que bi ko bàyyi woon donc c'est juste que c'est la même circonstance parce que soo xoolee ba mu fiy nekk doon naa ko fustiger fustiger benn gestion boo xamante ne tey jii nii loo xamante ne tegul woon si yoon donc loolu moo waroonoon chaque mois dama doon génne ay chronique dama doon ay génne ay chronique pour fustiger vivement cette gestion donc si nous avons développement vous savez que nous avons développement local il faut que nous loo si politique est basée, si on parle de la politique véritablement on fait référence à la bonne gestion de la cité. Mm-hmm. donc te que mm-hmm. c'est une gestion qui est autour de deux personnes. Mm-hmm. elle n'est pas inclusive elle n'est pas participative. Donc, si on parle de la politique, si on parle du développement, nous allons tout essayer de tout faire pour que les populations puissent vivre décemment.

comprendre nga té buñ waxé neuf domaines de compétences dafa am ay yo xamanténi amna ay réalisations yoo xam ne mëna a ci a neuf domaines de compétences. Mhm. mais depuis lors askan bi mënul gis li li nga xamanténi li lii la fi maire def mhm. lool motax chaque mois dañ doon génnee ay ay chronique di fustiger lool mhm. dem naa j'ai même été été victime donc d'une convocation à la police parce que depuis ñu nek fi ay xalé nek nañ ñoo xamanténi tay bon amuñu lenn lo xamanténi tay gestion bi dafa nébuleuse décision de dafa nébuleuse parce que tay munoo wax kenn ko xamantene ne tey la expliquer li jëm gestion parce que dans les dans les chroniques précédentes que j'avais faites on wax ni au delà même de 2022 il faut que le futur maire de Guinaw Raynor quel qu'il soit quel qu'il soit se dise qu'il y a une vigie une vigie populaire c'est-à-dire une immense populaire capable de contrôler. Nous ne pouvons plus se permettre de faire comme ses prédécesseurs. C'est un maire médiocre, il est nul. Cette gestion, sa gestion, c'est une gestion médiocre. Donc on ne peut pas être maire et ne pas, et ne pas être en conformité avec les populations. Donc, le moi, le film J'avais dit, il faut que le futur maire de guinée quel qu'il soit, il ne pourra plus se permettre de faire comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire de gérer nos biens de façon nébuleuse, de faire des actions pécuniaires en, toute sourdine, sans pour autant que le citoyen ne soit au courant du montant de son budget annuel et mhm. comment ce budget a été exécuté. Mhm, mhm, vous savez, parce qu'il devrait y avoir une concertation. Parce que une concertation entre exactement. Par exemple, avec, avec, avec, Madame le maire, mhm. c'est quelqu'un qu'on a lu. 2 millions de francs CFA. C'est Fandiaï, non C'est Fandiaï. Fandiaï possède des, fonds. Mhm. Elle possède des fonds pour les femmes. Mhm. Il vient de. C'est une, une, allocation. C'est une allocation pour les femmes. Donc, fonds boo xamante les labels c'est 2 millions chaque année. 2 millions chaque année Il def ay intérêt des labels familles et ay groupement de femmes. Mm-hmm. donc c'est bien beau parce que ces fonds proviennent de l'État. état. kon mm-hmm. jàpp naa ni sooy liggéey kon chaque mois da nga de war a def évaluation. Mm-hmm. ak fonds yooyu yan intérêt de jour, ak fonds le fa la war dem. mais depuis lors quel monde la wax carrément xaalis bi intérêt yi mu jur fan la dugg. te xam nga tey dafa am benn dafa am benn dafa am benn genre mën ko association la. mën nañu ko mën nañu ko wax groupement de femmes. Bon xamante ne moom Fane Ndiaye moo ko gérer. Bep groupement bi fi si ginnaaw raay nord moom dalay financer. ay financement yoo xam ne day am ay taux d'intérêt. intérêt. man dañu bëgg ñu chaque gestion c'est def gestion le forum évaluation annuelle. Nous mun a xam fan lañ faut ak fan lañ toll. lañ dem. loolu ci gestion bi Moi, tax ma lay c'est une gestion nébuleuse Bon, askan bi dara. Oui, c'est une gestion qui se qui qui qui qui est autour de deux personnes. avec le maire et, madame la maire ce n'est pas normal il faut qu'une évaluation soit faite chaque année. et cela n'a jamais été fait. donc loolu la ñuy fustiger te mënuñu wax carrément commune bi réalisation bi le fi Pape avec son équipe durant sept ans. C'est anormal, c'est pas normal. Vous savez bel et bien que mhm. le maire a neuf domaines de compétences. Comme genre. Par exemple, si, on parle de l'éducation, il y, a certaines réalisations qui ont été faites par l'État. Le maire n'est pas capable de les faire. Mhm. Si, si, il y a une réalisation, centre commercial, budget, le un milliard. Mhm. Le maire n'a jamais eu un budget de 1 milliard. Les budgets, c'est autour de 700, 800 millions. Donc, il ne peut pas se permettre de dire que mon faire centre commercial, tout en sachant que centre commercial, budget, c'est 1 milliard. C'est faux, c'est un faux problème. il faut pas muy def loolu di def di def loo xamante ni moom moo def lii te defu ko. du domaine de compétence am. Mm-hmm. centre commercial un milliard. Mm-hmm. business ginnaaw raay noor mosu toll si un milliard. Mm-hmm. donc jàpp naa ni wax dëgg yàlla askan bi ni ñuy dundee tegul si yoon. sonn nañ trop. sonn nañ trop. xam nga dans un premier temps d'abord le maire Pape adjoint au maire au niveau de la ville Té ñu xamu ñu loolu il est parti de la coalition Benno Bokk il a fait partie de la coalition Benno Bokk Yaakaar il est adjoint au niveau de la mairie de ville au niveau de la ville donc jàpp naa ni lolu su fekké nga nek adjoint en tant que maire koku lu mu doon adjoint au niveau de la ville amul ben impact les populations de Guinaw n'en profitent pas mhm. n'en profitent absolument pas mhm. amul lenn lo xamné tay ji man luma sañon tay moi, nous ñu carrément se sur le terrain pour essayer au moins d'accompagner monsieur Walthiodjo hmm, comment. parce que moi je connais l'homme. Hmm. des fois ñi dañu wax xam mais moi je connais la personne. donc dans un premier temps c'est un ingénieur de formation. Hmm. si on parle de la gestion dañu war a xam-xam de si jouer xam-xam de si jouer sooy dénk nit benn affaire da il koy dénk ko am d'accord Wali, il a c'est quelqu'un qui a été forcé d'être incorporé dans la politique. pourquoi à cause de sa générosité inestimable Wally dafay jël salaire am ko def ci askan bi imaginel ko xamné ne salaire am la am di di jàppale askan bi que ça soit ordonnance yi mm-hmm. mu nek ay jafé jafe location lu ci nek façon cas bu nekk ngay gis mm-hmm. muy traiter ay cas sociaux yo xamanté tay ki ci propre ay moyens la koy defee ko mm-hmm. soo ko les budget kon waxatuñ ko comprendre ko xamné day jël alaram di ko def ci askan bi man xam nga ku nek day agir selon à l'image de son leader man so man fi ma jógee à Casablanca c'est vrai que nous na le plus rapidement possible mais lay wax ni que ni ku nek réagir à l'image de son leader dama gis lu muy di jël alalam mu faire lepp pour commune Mon commune bi moo ñor kon ku day def concertation chaque jour sama gën di pour trouver un consensus de Il solo. Hmm. faut pas faire une gestion une unilatérale te gis naa ni Wally wax dëgg yàlla te kàddu gi nii si à ginnaaw raay noonu vous y allez les gens vous diront que wax dëgg yàlla Wally lokk ay affaire sociale daf see yàgg mhm. donc ku mel noonu dañu war a mun a jox suñu suñu réew mhm. ku si mel ni tey ku am xam-xam ak ku am yërmande si askan bi mhm. te Wally xam-xam baa si moom si moom en tant que ingénieur ba pare am na yërmande si askan bi donc kooku lañu war a mën a jox suñu mairie te Wally moo gën a capable sans nul doute parce que wax naa la je viens de vous dire tantôt que pour faire une gestion il faut il faut nga am xam-xam il faut nga am xam-xam donc vous voulez dire que Pam Niamé amul un ham? Ah, non si c'est une sensation gestion là elle est médiocre. Mhm. Pam Niamé amul lenn de je vous ai dit tantôt que Pam Niamé en bénéficie de de de de de domaine de en bénéfice d'un budget annuel de 700 millions 800 millions. Mhm. qu'est-ce que vous pouvez voir comme réalisation issue de ces ces domaines de compétences mhm. durant sept ans durant sept ans. Je le dis et je le courage de le dire. Pam a été choisi par le président de la République. Hmm. C'est vrai que c'est au niveau de la coalition Beno Yakar, mais on peut dire que c'est la politique. On peut dire que c'est la politique. C'est juste pour consolider des intérêts politiques non inclusifs. Hmm. C'est non inclusif. Les, les, populations de Guinara savent bel et bien que Pam, Pam est, le meilleur choix. C'est le meilleur choix parce qu'on ne peut pas avoir les réalisations qui, ont été faites durant ces temps. Hmm. Aucune réalisation n'a été faite. Et j'ai bien dit, les réalisations issues de ces domaines de compétences. Mhm. je J'ai toujours attaqué à travers des chroniques. Mhm. J'ai même été victime mhm. d'une convocation au niveau du commissariat à la police. À cause à cause de, de, de, cette gestion nébuleuse. Raison pour laquelle j'avais dit que si, si, si, si, quel qu'il soit le prochain maire, quel qu'il soit, même si ça sera moi, mhm. se disent qu'il y a une vision populaire, une vision citoyenne, qu'il ne pourra plus se permettre de faire comme ses prédécesseurs. Mhm. Sinon, cette majorité du clic fera toujours face à la toute-puissance du fric et du fric Si je dis toute-puissance du fric et du fric c'est parce que puissance du fric, moi, je le dis, le le police. Mmh. on ne nous laissons pas se résigner sur ça loolu daf ñu deñ dafay war a deñ te pour mu deñ il faut ñu jox mairie bi ñu jox mairie bi ku am yërmande ku am xam-xam ku mel ni monsieur Waly xam nga tey ñoo ngi fi depuis lors depuis sept ans amuñu maison des jeunes question là qu'on doit se poser hmm. pourquoi loo tax ah, pour moom à quel titre à quel titre madame la maire ñu war ko tuddee maison maison maison maison de la hmm, peut-être dafa liggéey liggéey comme lan <laughs> comme lan uh-huh. xam nga man je suis né ici à Guinaw Rail je suis né ici j'ai mm-hmm. ma madame le maire amul lenn loo xamante ne tey la war ko mën a tuddee suñu maison de la femme amul mm-hmm. tey jii réalisation yi nga xamante ne moom la maire war a def demal yeneen communes yi mm-hmm. fekk bibliothèque communale étudiants yi fa nek élèves yi fa nek di en bénéficier aussi livre ñu leen di taxaw dégagé nañ budget budget bu nek dafa am rubrique. lu ci nek dafa am CFC am. mais amu ne peut ñamé def nañ ko lu nit mëna a dugg mhm. ñu war ko ko éradiquer. Mhm. la il est là qu'à construire des logis il est là qu'à considérer qu'il faut qu'on le dise. man lu nid de di ragal wax dama koy am esprit mu leer. Mhm. su fekkee da ko mën a a il n'a pas à me convoquer au niveau du commissariat il est là qu'on construit des logiques amul lenn loo xamante ne tey def na ko fi lu nit mën a mhm. parce que bu ñu politique tey dit politique au sommet le maire c'est le pouvoir local. Mhm. on lui a on lui a transféré des pouvoirs. donc de ce fait il doit tout faire pour que ces populations pour pour puissent vivre décemment. mooy lan essayer d'améliorer le niveau de vie de chaque population. Mhm. su ko defee mooy bu ñu amee jafe-jafe ñu mun leen ko fajal. Mhm. suñu amee fu ñu feebaree ñu mun a ñu mun a faju. Mhm. ñu dëkk dañuy dund sans problème. en général l'amélioration de leur vie de leur niveau de vie. mais loolu gis ñu ko fii ci gestion Pape Niamé pendant cette. moi, mooy ñun soxla nañ maison de la femme. wax boobu maison de la femme boo xamante ne ay lu pareegul lu taxaw lañ soxla lu concret. maison des jeunes soxla nañ ko bu soxla nañ ay loo xamante maintenir taille parce que Nekul koo dans da ngay la mairie. Mhm. Nous sommes nekk l'emploi des jeunes. le maire c'est vrai que ce n'est pas lui de de donner des emplois mais le maire a tous des partenaires. Il faire un réseau pour maintenir les tey les bi nekk si biir goxam dinañ mën am dinañ mën mhm. emploi parce que Nekul, n'est pas pas pour rien président de la république l'année dernière il a convoqué les gens parce que ñu le le pouvoir local oui, Waljo Ndiaye, donc, euh, comme je viens de vous le dire tantôt, ingénieur de formation, donc euh, euh c'est membre associé au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Donc euh, vraiment quelqu'un de très généreux que j'ai côtoyé, quelqu'un à travers qui j'ai beaucoup appris sur lui. Donc je vous dis un homme complet, un homme complet. Oui, bon, je lance un appel solennel à toute la population de Guinaouraï. Donc véritablement de reconnaître euh, euh, cette, monsieur, de reconnaître son, son, bulletin spécimen. Donc je pense que euh, ça sera très facile à reconnaître. Donc c'est l'Union citoyenne Buntubi, mon spécimen Nous changement pour que Guinaw Nord population yi fa nekk ñu décemment mën améliorer seen niveau de vie kon jàpp naa ne bii mooy bu baax bi pour que Rails Nord tey lépp réalisation bu ñuy xaar ci maire ci maire bu compétent ci maire bu am le soir du 23 janvier bi la wara war voter bu nga xamante mo moo dirigé par monsieur Valdiodio Ndiaye moy euh, union union union citoyenne buntu bi képp ku ko voter lepp li nga namm si ginnaaw ray nord wax dëgg yalla dinañ la ko fajal. bon je suis très content surtout très ému euh, très comblé même de bonheur donc euh, si sama retour fils si ray nord. wax dëgg yalla xamna ni ne moom ku dégg Moussa Kane Fane ku ne ku ko xamul aussi xamul jëm ji di nga di nga dégg tour bi donc parce que ginnaaw ray nord kese moma ñor. Parce que beaucoup de gens font de la politique pour s'en sortir. Moi, je l'ai fait pour, pour, par patriotisme, par engagement. Les plus Gobé Garko, Guinao Raynor, Djaral J'ai même failli aller en prison pour Guinao Raynor. Quand Dak Diapanani, Moussa appel Koukou Hamoul aussi connaît Dek Ngoko. De lancer un appel, moi, semaine ni. Guinao Raynor, qui est changer coalition, Buntubi, moi, changer Guinao Raynor.